is DJ Début du commencement et beaucoup trop sucré, oh mon ami, oh. oh. Y'a pas de zigzag, y'a non pas d'embrouille. Qui a dit même que dolola et à faire ça, moi je sais pas, oh. Tu veux quoi, je peux pas te donner. Tout ce que tu veux, c'est jouer. Bébé, on t'a attrapé. On t'a pris dans le sac, tu peux payer, Ils ont m'a donné. Trop de femmes dehors, c'est pas ma faute. Si je cherche ailleurs, c'est pas ma faute. Peu de Joe, trop de go, on fait comment? En fait comment, Melillai, en fait comment On va faire comment, c'est pas ma faute En fait comment, Melillai, ce genre d'histoire là ne vaut la peine de te raconter quand Tu es dedans, tu te t'es pas mieux que celle de dehors Changer, bébé, on t'a attrapé On ta pri nom dans le sang tu peux plus nier la Trop de temps dehors, c'est pas ma faute Si je cherche ailleurs, c'est pas ma faute Trop de Joe, trop de go, on va comment très compliqué. On va faire comment Soit on les laisse de l'espace, ça se gère comment Après tout ce temps.